jeudi 7 septembre 2023, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans l'avant-dernier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou à la présentation. Je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et à mes côtés Mariam Adé. Mariam, comment tu vas Ça va bien Seno et toi Ça va, alhamdulillah. Super alors chers auditeurs, l'édition d'aujourd'hui est assurée par Adama Dawaki et Kadija Isaka. À la technique, nous avons Amina Hassan. Alors Seno, dis-moi, t'as quoi pour nous ce matin Eh bien Mariam, comme d'habitude, nous débutons cette avec le flash d'information, une bonne dose euh, de musique 100% nigérienne sera servie à nos auditeurs déjà scotchés. Et comme invité aujourd'hui, nous recevons Dr Aïchatou, chef du service cancérologie pédiatrique au Centre national de lutte contre le cancer au Niger, pour parler bien évidemment du cancer chez l'enfant. Dans la République Éco de région, nous irons à Bankilare, région de Tilaberi, pour parler de l'ouverture de l'hôpital de la commune qui s'est fait attendre. Il y aura également les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu, notre page sport avec le chroniqueur du jour. Sans oublier la culture linguistique et pour finir, on va écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs et auditrices, à présent, suivons le flash d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam. Alors pour ce matin, la Fédération nigérienne de football Fenifoot a décidé de suspendre l'attaquant du MENA, Victorien Zakaria à bailleurs de toutes les sélections pour avoir refusé de répondre à une convocation de l'instance nigérienne de football dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 prévue ce jour à Marrakech et qui opposera le MENA à Prime et son homologue d'Ouganda. Selon le document de la Fenifoot rendu public hier en fin de la soirée, c'est considérant la gravité de son acte et conformément à l'article 2-2 des règlements généraux de la FENIFOOT que le comité exécutif de la FENIFOOT décide de la suspension du joueur victorien à des bailleurs de toutes les sélections nationales du Niger jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, dans une déclaration de son porte-parole, l'Union européenne a réagi hier à l'interdiction faite à Niamey par les forces de sécurité nigériennes à son ambassadeur d'accéder à l'ambassade de France mardi. Pour l'UE, il s'agit d'une entrave à la liberté de circulation de son ambassadeur dûment accrédité dans le pays. Selon le communiqué publié hier au titre de la Convention de Vienne de 1961, l'ambassadeur de l'Union européenne a été accrédité en bonne et due forme et il doit dès lors pouvoir mener sa mission dans le plein respect de la dite convention, indique Actu Niger. Répondant à une préoccupation d'un journaliste au cours de la conférence de presse animée à son cabinet, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a annoncé la libération prochaine de tous les détenus politiques. Cette décision a été prise, selon lui, sur instruction des nouvelles autorités du pays qui entendent créer les conditions d'une décrispation dans le pays. Un dialogue inclusif sera organisé pour discuter de toutes les questions intéressantes de la vie de la nation, a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu'il s'agit de refonder notre pays, notre nation et la détermination est sans faille. Merci Rafika. Merci infiniment Rafika. Comme annoncé en début euh, d'émission, nous avons euh, comme invité dans cette émission Dr Aïchatou. Elle est la chef du service cancérologie pédiatrique du Centre national de lutte contre le cancer au Niger. Bonjour docteur. bonjour Sénat. Merci euh, de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nous parlerons du cancer chez l'enfant. Mais avant de rentrer dans la discussion, Écoutons euh, d'abord euh, la première musique de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit bien du groupe Soga qui nous chante ce titre Ir Labo. On écoute. kan go nishar labora kwara kuldin ga namuno ir al'adai dokare wodin katir gabo kan nan nishar wata kulu ir go mai afallan wo kai wo ban wara ir nishar labo se ir ko min nishar labo no la kalkalai amin kondin labo da gina amin summa amin Soga est un régal musical inattendu. Les voix de son cœur des femmes sont une réelle invitation à découvrir les riches mélopées qui habitent les cœurs des Nigériens et les contrées de ces vastes pays de l'Afrique de l'Ouest. En effet, Mariam, euh, dans cette chanson, le groupe Soga lance un appel à la paix et à la cohésion sociale à l'endroit de tous les Nigériens. Et en plus, en, seulement quatre jours hein, de sa sortie, euh, ce titre a fait plus de 40 937 vues sur les réseaux sociaux. Un succès, on dira. <laughs> C'était là le titre Irlabo du groupe Soga. À présent, il est temps de nous entretenir avec notre invité du jour. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle de la cancérologie pédiatrique au Niger Oui, bon, je commencerai d'abord par vous dire merci. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de venir parler du cancer pédiatrique qui aujourd'hui reste encore mal connu au Niger. Il y en a encore, même au milieu des agents de santé qui n'ont pas encore la notion ni les signes des cancers pédiatriques. Mhm. C'est une opportunité pour nous aujourd'hui d'en parler. Alors, euh, comme euh, l'a si bien posé cette question de Mariam, euh, pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle de la cancérologie pédiatrique au Niger Quelle est sa situation actuelle la situation actuelle, si je peux parler du nombre de cas, Selon l'estimation de l'OMS, hmm. c'est 10 à 15 enfants sur 100 000, 10 à 15 000 patients, si je peux sur 100 000 hmm. enfants. Et si aujourd'hui on tient compte de la population du Niger où plus de 51 hmm. sont âgés de 0 à 14 ans. Moins, ils ont moins de 15 ans. Si on doit tenir compte du pourcentage que l'OMS a donné pour compter, donc on doit avoir euh, autour de 900 à 1000 cas qu'on doit recevoir par an. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 80 à 100 enfants ça par an. Mhm. Ce qui veut dire que la population nigérienne n'est pas encore au courant de ce qui est cancer mhm. pour qu'ils se dirigent vers les centres de soins. Euh, alors, quels sont euh, les types de cancers pédiatriques les plus euh, fréquemment diagnostiqués dans votre centre on en a... Avant, on était à 5 qui étaient fréquents. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on a cinq types de cancers qu'on rencontre de plus en plus. Mhm. Ou avant, on parlait plus de rétinaux quand il s'agit d'une tumeur oculaire. Mais aujourd'hui, on a deux types de tumeurs oculaires où il y a les, rétinoblastomes, mhm. qui est un cancer de l'œil qui, qui commence au niveau de la rétine et qui peut se propager si ce n'est pas pris en charge très tôt. Mhm. Il y a aussi un autre cancer qui touche aussi l'œil, qui est le rhabdomyosarcome euh, oculaire, qui avant on n'y rencontrait pas ça beaucoup. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on en a, on en a des cas. Il y a aussi le cancer du rein, qu'on appelle le néphroblastome. Il y a le cancer du sang. Tout le monde entend parler de leucémie, on entend parler de lymphome. Dans les types de lymphome qu'on rencontre le plus souvent ici, c'est le lymphome de Burkitt, c'est le lymphome de Hodgkin. Il y a aussi quel type de cancer Je dirais ostéosarcome. L'ostéosarcome, c'est une tumeur osseuse qui on rencontre aujourd'hui de plus en plus. Et malheureusement, les malades, ils traînent avant d'arriver parce qu'on va penser peut-être l'enfant, il a une drépanocytose, peut-être mm. c'est l'enfant, il a une fracture. Mm. C'est franchement le temps qu'on pense que c'est un cancer, on l'amène, c'est déjà à un stade où c'est juste des soins palliatifs. Ok. Enfin, soins palliatifs, c'est des soins d'accompagnement. <laughs> voilà. Donc, euh, tous ces cancers que vous venez de citer euh, peuvent se développer chez l'enfant. Bien sûr. Mm. Le cancer peut se développer chez l'enfant mm. depuis même que l'enfant est dans, le ventre de sa mère. C'est ça qu'on appelle les tumeurs germinales. D'accord. Alors, quels sont les défis majeurs auxquels vous êtes confrontés en matière de diagnostic et de traitement du cancer chez les enfants au Niger le défi majeur, mm. c'est le retard du diagnostic. Le retard. C'est le retard du diagnostic. Pourquoi on a le retard du diagnostic mm-hmm. Parce que la population n'est pas au courant des signes. Quand tu vois les signes est fréquent chez un enfant, mm-hmm. il faut penser à l'amener. Généralement, ce qui retarde les parents, c'est le traitement traditionnel. Mm-hmm. Quand même, ils constatent qu'il y a un signe chez un enfant, on va d'abord chez les tradis thérapeutes il va faire tout ce qu'il pense savoir faire. C'est quand on voit que ça ne va pas, on va arriver à l'hôpital. Et le temps qu'on arrive, c'est déjà à une étape où on n'a pas les chances de guérir les enfants. Mhm. Alors qu'ailleurs, où le diagnostic s'est fait très tôt, mhm. il y a des cancers qu'on rencontre au Niger qui sont guéris à 100%. je mhm. pense qu'aujourd'hui, si on arrive à relever le défi du diagnostic précoce à travers la sensibilisation de la population, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour sensibiliser la population, il faut les médias. Exactement. Voilà, il est média. <laughs> voilà. Ok, alors vous avez parlé de, sensibilisation parce que vous avez parlé également de l'ignorance euh, de l'existence de cette maladie chez les parents. Mhm. Et aujourd'hui, au niveau de votre centre, est-ce qu'il y a de euh, des mécanismes de sensibilisation qui sont euh, mis en place pour édifier cette population qui n'a pas conscience de l'existence de ces cancers oui, bien sûr. On a commencé depuis 2021. Mhm. D'abord, la formation au niveau même des agents de santé. Mhm. Parce que tout commence au village. Tout commence dans une famille. Mhm. Alors, si cette euh, famille n'est pas au courant des signes, quand tu as ça, la, répétition des signes chez un enfant, qu'il faut l'amener dans un centre de santé, ou bien l'agent de santé même qui reçoit l'enfant, plusieurs fois la maman va le ramener pour le même signe. Mais l'agent de santé ne sait pas que ça, ça peut être un cancer. Mm. Il va essayer toujours de traiter à sa manière. Mm. C'est quand ça s'aggrave qu'il va dire Ah, il faut aller à l'hôpital, je ne peux plus faire. Maintenant, la formation qu'on avait commencée depuis 2021, mm. c'est amener même les agents de santé à identifier les signes précoces qui peuvent être dans une autre pathologie qui n'est pas le cancer, mais qui peuvent aussi être un cancer. S'ils arrivent à avoir des, s'ils ont des enfants qui ont ces genres de signes et les signes se répètent, c'est de ne pas garder les enfants chez eux, c'est de les amener dans un endroit où on peut poser les diagnostics. Ça peut être un cancer, comme ça peut être, ne pas être un cancer. Mais le plus important, c'est de les amener à temps. Merci, euh, docteur. Avant de poursuivre nos échanges, mm. marquons une petite pause musicale avec ce titre Sony Massoyi. C'est parti. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Sony Masoyi. J'espère que vous avez euh, bien aimé euh, cette belle sonorité musicale. Retour au studio euh, avec notre invité du jour. Il s'agit bien de Dr Aïchatou. Hum, pour ceux qui viennent de prendre le mission en cours, je rappelle que Dr Aïchatou est la chef du service de cancérologie pédiatrique du Centre national de lutte contre le cancer au Niger. Alors, docteur, dites-nous Comment travaillez-vous euh, en collaboration avec euh, d'autres institutions et organisations pour améliorer euh, les soins aux enfants en tête de cancer Bon, je dirais D'abord, je vais parler des associations. Des associations vraiment qui nous viennent en aide pour nous aider à sensibiliser la population, qui organisent souvent des campagnes de sensibilisation, des caravanes de sensibilisation. Hmm. Je vais parler de l'association RADI, ces réseaux d'appui au développement durable inclusif, mm. ils font beaucoup d'efforts, ils sensibilisent la population. Elle a une équipe vraiment des médecins, des infirmiers qui mm. sont là de façon volontaire, mm-hmm. qui parlent du cancer. Souvent, à notre insu même, ils font des choses pour parler. Et ça fait qu'à chaque étape qu'ils font cette sensibilisation, mm-hmm. on a une affluence des malades. Et je pense que si les médias aussi s'organisent comme ça, mm-hmm. on va limiter le retard des diagnostics et on aura plus d'enfants qui viendront à temps et qui peuvent être guéris comme dans les autres pays. Voilà. Alors, comment se fait la prise en charge La prise en charge, ça dépend du type du cancer. Ça dépend du type de cancer. Chaque type de cancer a sa façon d'être traité. Mm. Il y a des, des, enfants qui arrivent avec un type de cancer où ils ont besoin de la chimiothérapie, ils ont besoin de la chirurgie, ils auront besoin de la radiothérapie. Mm. Voilà. Maintenant, pour les enfants qui arrivent, qui ont besoin que de la chimiothérapie, ça peut être par exemple le cas de la leucémie. Mm. La leucémie, aujourd'hui, on pense qu'au Niger, on ne peut pas traiter la leucémie parce que le plateau technique est insuffisant. Mm. Mais il y a des enfants qu'on a pu arriver à les mettre en rémission. Quand on dit en rémission, ça veut dire que les signes qu'ils sont, avec lesquels ils sont venus, mm. on a fait le traitement, tout est rentré dans l'autre. Voilà. Et on arrive à le faire malgré notre plateau technique qui est insuffisant. Mm-hmm. Et je dirais, il y a deux types de cancers dont j'ai parlé, les néphroblastome par exemple, mhm. c'est une masse au niveau abdominal, au niveau rénal. Mhm. Cette masse, quand c'est énorme, le chirurgien ne sera pas à l'aise et risque de se rompre. Et quand ça se rompt, ça, se rompt, ça devient plus dangereux pour le malade. Alors, on envoie le malade chez nous, on fait la chimiothérapie. Quand on finit la chimiothérapie, on a réduit la tumeur, on envoie chez le chirurgien pédiatre mhm. qui va maintenant faire l'intervention. Il va enlever la tumeur, mhm. on va envoyer chez l'anapathe qui va examiner pour confirmer si c'est néphroblastome ou c'est autre type de cancer, mhm. ou ça peut être juste une tumeur bénie qui n'est pas cancéreuse, on a au moins le diagnostic chez l'enfant. Maintenant, dans les cas où c'est le cancer, ça va nous donner la stadification c'est quel type de cancer, c'est quel stade. En fonction du stade, il y a des protocoles à adopter. Et l'enfant, après la chirurgie, il revient encore pour faire la chimiothérapie. Mmh. Mmh. Voilà. Maintenant, il y a des enfants qu'on va traiter pour le cas de l'œil aussi. Actu avant, quand on a commencé à faire le traitement, il n'y avait pas de traitement local pour détruire la tumeur. Mmh. Mais aujourd'hui, vraiment, par l'appui de l'association mondiale contre le cancer, mm. on a pu mettre en place le laser qui permet aujourd'hui, si à la tumeur au niveau de l'œil qui est arrivée très tôt, mm-hmm. on peut détruire par ce laser, enfin, je dirais pas le chauffage, mm-hmm. cette tumeur qui, petit à petit, petit à petit, on va détruire cette tumeur. Mm-hmm. Donc, l'appel aujourd'hui, c'est qu'on puisse arriver à amener les enfants mm. à temps pour pouvoir faire ce traitement local. OK. Alors, avant de vous dire au revoir, avez-vous un message ou des conseils à l'endroit de nos auditeurs qui nous écoutent actuellement Les conseils, c'est d'abord à l'endroit des parents. D'accord. Mhm. Quand une maman constate que son enfant, qui était très actif, très brillant, peut-être elle l'appelle même, il est têtu, mhm. mhm. quand elle voit cet enfant, d'un coup, l'enfant devient calme. L'enfant, il n'est plus comme Il est. Alors, ça doit inquiéter la mère pourquoi mon enfant qui a, commencé à marcher ne marche plus Pourquoi mon enfant, chaque fois, il me dit il ne mange pas Pourquoi mon enfant a tout le temps la fièvre mm. Donc, quand tu constates un signe anormal, ne dis pas tu vas en pharmacie acheter les médicaments. Mm. Amène ton enfant, on va l'examiner et on va savoir très tôt de quoi il s'agit. Mm. Ça peut ne pas être un cancer, mais ça peut être une maladie aussi qui va traîner si on ne prend pas en charge mm-hmm. euh, l'enfant très tôt et à l'endroit de la population, c'est permis. Et à l'endroit de la population aussi, pas des parents des enfants, mhm. mais la population, mhm. qui aujourd'hui Dieu les a bénis. Ils ont de l'argent. Ce mois de septembre-là, c'est un mois qui est célébré au niveau mondial pour apporter vraiment le soutien aux enfants malades, mhm. le soutien aux familles des enfants malades, le soutien même aux agents de santé. On a besoin aujourd'hui d'améliorer notre plateau technique. Si on peut guérir, l'enfant peut guérir à 100% ailleurs. Mm. Pourquoi pas au Niger c'est possible. Mm-hmm. Il y a des gens aujourd'hui qui ont les moyens d'aider le centre à pouvoir prendre en charge correctement les malades. Mm. Voilà, donc c'est un appel à la population. Vraiment, c'est que Dieu a béni financièrement, mm. qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent nous aider. S'ils veulent, on peut même les orienter, les malades, l'essentiel et qu'ils puissent aider ce malade mm-hmm. à terminer son traitement. Mm. Parce qu'il y en a qui commencent, qui abandonnent parce qu'ils ont un problème de moyens. Mm. Voilà, alors qu'il y en a qui ont l'argent, ils ne savent même pas quoi faire avec. Mm-hmm. Normalement, c'était euh, la dernière question, mais votre intervention a suscité encore une petite question qui me tient vraiment à cœur. C'est de savoir, parce que vous avez parlé bien évidemment de, la guérison du mm. cancer dans d'autres pays. Est-ce qu'au euh, Niger, parce que beaucoup de, mamans disent que non, le cancer, on ne peut pas guérir le cancer. Est-ce que c'est possible de guérir le cancer Avez-vous déjà eu des cas euh, qui, après avoir suivi un traitement, ils sont guéris vous savez, pour parler de guérison complète d'un malade, mm. selon le type de cancer, c'est 3 à 5 ans, mm. sans événement. Mais en tout cas, dans notre région, où j'ai dit en Afrique de l'Ouest, mm. pour que nous, on parle de cancer qui est guéri chez un enfant, il faut 5 ans. Si durant les 5 années, il n'y a eu aucun événement, il n'y a pas de réussite, après les 5 ans, on fait le bilan. Si tout est bon, déclare l'enfant guéri. Hmm. Mais depuis qu'on a commencé notre euh, unité, parce qu'avant, ils étaient pris en charge au niveau de l'onco mato au niveau de l'hôpital national, des services des matos hmm. Depuis qu'on a commencé à prendre en charge nos enfants, on a aujourd'hui des enfants qui sont guéris. Ah. Qui sont guéris, qui sont là. Peut-être pour les enfants qui ont eu un problème des yeux, on verra qu'il y a quelque chose qui manque sur le visage. Hmm. Il y a des enfants qui ont eu au niveau, un problème au niveau rénal qui sont aujourd'hui guéris, qui s'amusent, qui, qui vont à l'école comme les autres enfants. Donc c'est possible. Il ne faut mhm. pas qu'on se minimise, dire au Niger, on ne guérit pas, on guérit du cancer. Seulement, il faut être régulé parce qu'il y a des parents, souvent, on commence le traitement, ils viennent quand ils veulent. Mhm. Ça tient aussi la régularité avec la guérison de l'enfant. D'accord. Euh, Merci, infiniment, docteur, d'avoir répondu présente à notre invitation, euh, mais avoir aussi répondu à toutes nos différentes questions. Nous vous remercions infiniment et nous vous souhaitons une excellente journée. Bye bye. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger Circalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire et nous sommes jeudi, nous parlerons éducation numérique, n'est-ce pas Seno Oui Mariam, et aujourd'hui nous allons parler d'une technologie bien connue mais qui continue à être utilisée dans notre quotidien. Il s'agit euh, des QR codes. Écoutons Farid Bourema pour plus de précision. Un QR code est un type de code euh, barre bimensionnel qui a été inventé au Japon dans les années 1990. Il se compose d'un motif carré constitué de modules noirs et blancs disposés sous forme de damier. Ces modules contiennent des informations sous forme de données binaires. Et à quoi euh, sert-il concrètement le QR code est utilisé pour stocker et transmettre divers types d'informations chez hmm. Il peut contenir des liens URL, des informations de contact, des détails sur des produits, des codes de connexion Wi-Fi, par exemple des billets d'événements et bien plus encore. Les QR codes sont utilisés dans de nombreux domaines. Par exemple, dans le marketing, les entreprises intègrent des codes QR sur des affiches, des dépliants ou des produits pour diriger les clients vers leur site web ou des informations spécifiques sur le produit. Dans le secteur des transports, par exemple, les hmm. compagnies aériennes utilisent des QR codes pour les cartes d'embarquement tandis que les opérateurs de transport en commun peuvent les utiliser pour fournir des horaires ou des informations sur les trajets. Les QR codes sont également utilisés dans les restaurants pour euh, afficher les menus hmm. ou permettre aux clients de passer commande. Mais cela semble euh, effectivement très très polyvalent. Euh, mais est-ce que tout le monde peut créer un, un QR code ah Oui, absolument, c'est nous. La création d'un code QR est assez simple. Il existe de nombreux générateurs de QR code en ligne gratuits. Hmm. Il vous suffit de saisir les informations que vous souhaitez inclure dans le QR code, hmm. comme une URL ou un texte, et le générateur se charge du reste. Une fois créé, vous pouvez l'imprimer et le partager numériquement. Comme tout support numérique, les QR codes peuvent être exploités à des fins malveillantes, notamment pour rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants ou pour voler des informations personnelles. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence lors de la numérisation de QR codes provenant de sources inconnues. Certaines applications de scan de QR codes intègrent des mécanismes de sécurité pour avertir les utilisateurs de contenus potentiellement dangereux. C'était là la rubrique éducation numérique, chers auditeurs, soufflant encore une fois de plus avec ces titres gérés des groupes Tesco Top seperti. Et oui, Gajere est une chanson captivante du groupe Tasco dont le sens réside dans la créativité et la diversité des voix féminines qui le composent. Cette chanson aborde de manière subtile et poétique le sujet des hommes de petite taille, offrant ainsi une perspective unique sur un thème rarement exploré dans la musique contemporaine nigérienne. Les paroles dégagées ressemblent célébrer la beauté de la diversité humaine en soulignant la richesse des caractères individuels. La mélodie envoûtante et les harmonies vocales impeccables renforcent le message de la chanson, rappelant aux auditeurs l'importance de l'acceptation de soi et des autres. Et oui, l'approche artistique novatrice de Tasco est la manière dont elle aborde ce sujet de gagérer une œuvre musicale qui suscite, à, euh, qui suscite la réflexion euh, tout en offrant une expérience auditive agréable. Cette chanson témoigne de la capacité du groupe à repousser les limites de la musique tout en abordant des thèmes sociaux importants. Une contribution précieuse à la scène musicale contemporaine nigérienne. cette pause en musicale, chers auditeurs, direction Banquilare, région de Tilaberi, pour parler de l'ouverture de l'hôpital de la commune. Oui, construit en 2016, l'hôpital de district de Banquilare n'est toujours pas opérationnel. Les raisons du non-fonctionnement du dit hôpital ne sont pas encore connues et selon euh, Hadiza Hadizatou Taoulik, voilà, deuxième vice-maire de la commune, des assises ont été organisé par les cadres, par les cadres de la localité euh, par rapport à l'inauguration, euh, mais en vain. Les différents euh, acteurs locaux lancent un cri de cœur pour le démarrage des soins dans cet hôpital. Alors, suivons le plus de détails avec Youssoufou Ilewat, كراري ورق بلي ورم كولاسا إزلادا يقد كودنا نسيلان هارتام كراس إجناس هارم رادا يا ودم مورا ويندا إكننا دقوزة كسانينا تدميت نسن دغاس إلكام دغاس موري نتكلرات أننا دا ودقالن أن دون نت دغا أجيد مدن ويسنتنا غاموسنن يمصرها نكال بلنا دغا ودقالن تنفى نكال سلاني تزور نكال دغا تابير تدغنا انسلنا نيبان موريا أنا لكتروا مقرنا بنكلاري እናካ አባና ሰለሙን ሰሉ ይዘለን ያዘል አሰጋ ንሰሉ ገነለይት ልምያሊ ተወና ጠባ ናስተመክሮ ስዲዳዋ ትገት ድየው ንገይ ገንሰርሐው የዳሰ ዝሩት ንም ይከለን ማነስ ዊስ ወርደት ትግዘ ያሉ ትግዘ دخسنا ويلي قالوا خلاص الورد من السلاي تقول في تندادا اجي لهم كل قنت دوي تا سواد وكل ورد سنة دلوي رغم النص اي قاس يزر ورا ديك راس هارز لا دغابا ودني تبارك الله وين غطا يتي المكان إن إنك رسان المس من لا تابيرت كاتا تيرا تابيرت تقول تفلتور بلا تلقى قوسة السقطي تمطيلة تيرا إنت أود ما أفرايا ما تنتو تتعربط تيوي تلك تابيرت تطاول أستاول هنكوك موتا هنكوك تعتبر التراني بنا نموري اللي كتروننا ومقرنا بنكلا ري آه، الجماتنا تشكل تغس أتتنس السيول دغر دغا آه، موزرنا نكل ورا بنكلا ري أدرس ندو نت هان تاني دغا ودنا زنن قال غا أدجوان تان سنة تمر دكومين تان بنكلا ري غازا تينا غيمي تين كلكالي ما نسقناسا تام مغنم مكوار غزي مارو هر هر ويا ونني ولا تي شكاسي بان مور الناس اداو يرا تنغوتني وزارا قاساسي ما نيتي مخشد الله الله تكرو مقرني لا غرسن هاري غاتا زيل امر مورا ايمان سنمر راي ار باستين غرامفو وان شيناس إميرا آه، أننا نغلي عن إننا ينغنى أستي مالي فاكياسون دارا كند بلورة تنهيبو أنت زيق زويد من إننا ينغنى إمي كن كن دمهارا والتارا داري هوراس وسما موزر دوسم ليدر دا دا الحكومة معنا ساتسود دا غدا غوافلو بيتال أجيني سيرو ديشغل وانا غواتاي أيوا وانا نغي هار هار هروا الجمعة تسنتا دا تقالتي سلانا نتوغلي يجيت نبان نمور نلاكتروا مقارنة مبنكراري كندبا أنا ورد عرب دغا ويتشيش على الحكم دغتابير تنسم مقلنيتي دم سلامو أقحمدو نديوان الدرس أه، تنفاون في هنينا أمرينا بتالا كنانا تيجيت كنانا تيجيت ودي زارنا أسا أرجعون تيدم مقل تقال نسن لكن أنا وين تنف لا ولا دغا شكل سدقين إذا تشكل سدقين يجرو كي بروبلم نظرف دا كلنا كواتي وكي يجرو بروبلم نظرف تدوبي تيلا لذي تيدمنك تقرأ ومقل دوبي أكين تاسنا ما ندمنسي ون لا غورا إدقنك دادغا أدت رزا الجمتنا دادغا تقد فلسلا تهاجد نيبان نموري لكتروم بنكراري سقى لنا اي تدمتن ايلان سيلان هرزل هرزلا لكتروين وريم ورا تيد دغادياس مكوستن أي تدمتاس ادا وين تنزغاري تيجد سي تدمتن فلاسا اي تدمتن يادا يا قالناس هاد كسنا اتمنى سندغاس لكترو وادغيش كامل ليلي دغادي تهلاتا السرتاق دي تدمتن ويدر ويدردي وني نتكو يموزرننا يوم وصلنا كادرتن وي ويلانيندا Voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était euh, bien le reportage signé Youssouf Ilewat. On nous signale qu'il est déjà en ligne depuis Bankilari. Bonjour Youssouf. Allô Allô Allô Allô Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, nous sommes arrivés à la page du sport de cette émission. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Alors, alors, Soumana, euh, oui. Ok. Euh, donc, euh, le sport, effectivement, aujourd'hui, on va un peu parler du football. Parce qu'il y a l'équipe menaa, c'est l'équipe nationale de football du Niger, mhm. qui doit jouer aujourd'hui même, en principe, donc aujourd'hui à Marrakech, au Maroc, mhm. son dernier match. Et c'est là, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Et cette équipe MENA donc, va jouer contre l'équipe ougandaise. Et cela aura lieu aussi à Marrakech au Maroc à 20h. Donc étant déjà éliminé, le MENA va jouer pour l'honneur, mais sans aussi l'attaquant victorien Adobayer, qui n'a pas répondu à l'appel de la fédération. Ce dernier est resté sourd à tous les appels sollicitation et relance de la FENIFOOT, considérant la gravité de son acte et conformément à l'article 22 des règlements généraux de la FENIFOOT qui stipule, je cite, tout joueur tenu pour participer à un match international à des présélections et sélections nationales ou à des matchs internationaux est impérativement tenu de répondre à la convocation qui lui est faite. Maintenant, en cas d'absence, le joueur ne pourra participer à aucun match, à aucun autre match, voilà, en attendant que le comité exécutif de la fédération apprécie les motifs de son absence. Voilà, merci euh, infiniment Soumana pour ces informations sportives. Alors, chers auditeurs, on s'excuse euh, euh, pour ce petit problème technique de tout à l'heure concernant l'appel qu'on n'a pas du tout pu avoir notre correspondant depuis Banquilaré pour en tout cas parler un peu concernant ce reportage qu'il a réalisé par rapport à l'ouverture de l'hôpital de Banquilaré. Alors, nous poursuivons notre édition avec cette fois-ci le portrait du jour, n'est-ce pas, Mariam Eh oui, c'est pour le portrait du jour. Aujourd'hui, nous partons pour Balayara, région de Tilaberi, à la rencontre de Nassir Boubacar, un jeune, jardinier qui cultive la terre, une profession qui lui permet de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Eh oui, malgré les difficultés qu'il rencontre, Nassirou arrive pleinement à s'en sortir et aide des jeunes sans emploi euh, à, remonter la pente. Voici son portrait avec Fanta Meiga. Située à une centaine de kilomètres au nord de Niamey, la commune urbaine de Baleyara est réputée pour ses ressources agricoles. Nassir Boubacar est natif de cette ville. Âgé de 32 ans, il vit du fruit de son jardinage, un commerce qu'il exerce toute l'année, y compris les périodes de soudure pour éviter l'exode. Je vends des condiments. Avec les revenus, on parvient à acheter de l'essence, puisqu'il est difficile d'économiser de l'argent. Dans ce jardin, il y a du moringa, du piment vert, des aubergines, de la tomate fraîche. On est obligé de travailler dans cette saison avant d'entamer les travaux de la saison pluvieuse pour ne pas emprunter le chemin de l'exode. Aller en Libye par exemple, quand la personne reste chez elle pour travailler, elle pourra beaucoup en bénéficier. Son métier lui permet de prendre en charge ses deux femmes et ses quatre enfants. Pour les difficultés qu'il rencontre dans son jardinage, il y a surtout l'achat et le choix des semences. Concernant le moringa, c'est les semences de la saison des pluies que l'on veut. Celui qui est cultivable durant la saison pluvieuse et aussi dans la saison du froid. Par exemple, ce type de moringa ne germe pas durant la saison du froid comme on le veut. Pour les piments verts, quand tu pars chercher les semences, on te dit que parfois ça germe plus pendant la saison chaude, parfois c'est le contraire. Ou bien dans la période de soudure alors que ce n'est pas le cas. C'est les difficultés qu'on rencontre. ou emploie d'autres jeunes qui l'aident dans ses tâches, comme Abdoulaye Jipou, qui se dit satisfait de son emploi même s'il aspire à travailler pour son propre compte plus tard. Ça fait du bien de travailler avec Nassirou. Je suis très heureux. Il n'a aucun problème. Aujourd'hui, c'est moi qui arrose tous les jardins. S'il est en voyage, l'année de même. Quand il est là aussi, à certaines heures, il me laisse des planches à arroser. Quand j'ai des besoins, il suffit que je dise. Il s'en occupe facilement. Le plus grand souhait de Nassirou, c'est de voir les jeunes de sa communauté travailler dur pour développer leur communauté.

Avec la démocratie, yeah. famille. Oh non, bamba ci s'applasma la, la disei ma qu'on renforce l'unité nationale, du cocari avant l'an 2000, mais un avenir de nous, plus de nage, nage plus de 6 années. De 6 années, pourquoi pas travailler? Il m'a il m'a l'unité. Kéré abat la corruption, abat les tapis au 15. On bloque la science à la zizanie. On bloque la science à la zizanie. Yeah, on bloque la science aux guerres civiles. On bloque la science aux guerres civiles. Yeah, on va voter un peu de sang sans guerre civile, c'est l'unité nationale. SOS tribalism, Asibori wakir malabo tunandi, avec la démocratie. la fin de cette mélodie annonce les lotiresques femmes du studio Kalango. Effectivement, Mariam, euh, le loti de ce jour nous parle de l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village. Écoutons ensemble pour plus de, de détails. Hey Yaya kike? Wa alaikum salam Rabibi. Da dama? Alhamdulillah. Me nike ganin takardu dumtsin a gaban ki haka? Fasfor kin yara nake ta nema tun dazun nan. Fasfor? Yo, kin manta ne. Yanzu lokacin hutun karshen karatu kin san ko muna zuwa ƙauye. ƙauye kuma amma kifa fa ina ji da sauranki tahiya birnin bai isa ba hal kuma ki wuce ki je ƙauye hmm, zama a birni da yara ina ji shi yafi fi komi. Haba ke kuma, kin manta ne a ƙauye na girma a tun aka aihe ne. uwaye na ma suna cin ya kamata in kai yara muna sun kakanninsu gaskiya ni ba zan iya ba yo me yasa a ƙauye kin san akwai cututtuka da dama shi yasa lokacin da nake ƙasar Nijar ni ban zuwa ƙauye balle ma a ce in kai yara na ikon Allah Rabi me kike faɗa yo kuma dangin wa? ta waya ina kiran su ta waya lokaci zuwa lokaci Shi shikenan daga waya sai waya yo mike so in yi kuma ban da wannan haba rabi idan kuma akwai wata sabgawa ya kike yi kiran su nike wani bi ina aika musu wani abin hannuna. Mhm. da ke a ganin ki kin hisu kenan ko da kike ya mai duk lokacin da sabga ta same ki ai kina ganin su ba su maganin nisan wurin da kike debo wanda kike can bakin gari amma yi mutum ya tattaka je wurin ki kada hukki mantawa zuwa ƙauye ga dukkan iyali ya zama wajibi tunda yara za su san juna kuma su kulla zumunci da 'yan uwansu. Mhm. lili haka ne amma nan zan san naki gaskiya sai an yi nazari aka. dibarabi kin hosan sun yi mu yawa mu ne ya kamata a ce mun yi tattaki mun je wurin su kuma dibawa yara ba su wata damuwa wannan kuma sai ma ya sa ma su ƙara faɗaɗa ilimin su tunda za su gani abu diya wanda ba su sani ba kuma ga abokan su nan ai ba wani zancen abun da zai dame su sai ma su sake sosai su shiga cikin dangin su ta aka yi mini in na kai yara na ƙauye za su kamu da wasu cututtuka kuma ni gaskiya ban so in haɗa wannan hatsarin yo su da suke raye a can me yasa ba su mutu ba ai su dole ne kuma sun saba kayansu. Ku da kan kuna iya sabawa. Hm, Hawa, bari zancen nan kin shiko? Haba Rabi, idan kina gudun cututtuka ne, ki nemi shawara mana wurin likitanki don ki tare yan akwatin ki na magani. Ni kin ga kullum in zani tahiya bulaguro, ke ko da nan da wuri kaɗan ne zani in dawo da bayan nisa. wallahi sai na ta yi da 'yan magunguna na kuma sannan babban ma abin da nake tayya da shi ina kaiwa dan abinci saboda waɗanda za iskewa su ma in taimaka musu. Hm, Kina da gaskiya. Ta wannan hanya ina ji abin yana iya yiwuwa. Kwarai kuwa, ai ina ma ƙara tuna miki da cewa ni haka nan nake yi a da yaushe in na te ganin sarakaina eh. Ni ai na san wata da ba taɓa zuwa ganin sarakanta ba. Hmm. Wannan kam da ni kike. To, shi kenan na gane. Lili zan ɗauki shawarar ki in Allah ya yarda. Ina gani ni kaɗai ce mai irin wannan tunanin. Dibarabi, wannan kada ya sa ki kawo tunani a kanki. Ba ke kaɗai ba ce. na sani sarai akwai mutane da dama wanda suke fama da irin wannan matsalar gaskiya kam ya kamata mu canja hali a gaskiya kin gane wannan kuma shine yake saboda darar da aka ce ma kowa ya tattara kayan shi kama hanyar garinsu <laughs> za mu gani ina zaki da 'yan koma tsanki ƙauyen dai za ni <laughs> jama'i fa ba garin ku ba ce a dai tunanina kenan yi ƙoƙari ki tunani <laughs> Kina da gaskiya Lili, in Allah ya yarda, wannan dai hutun ma na shirya in je ƙauye da ni da yarana. To, ko kewa, in dai kina so ki samu yauni sosai a cikin ɗakin ki, ya kamata fa ki kai masu kanki ziyara. Su kuma a ƙauye suke, kenan zaman ƙauye ya kama ki, <laughs> ko kuma in ce zuwa ƙauye ya same ki. In Allah ya yarda Lili, ai wannan makarin ba kwa bar ni ba a cikin gari? Insha Allah ku To Allah ya kula C'était là le loti offert par les desk femmes du studio Kalangou, retrouvant à présent Abdul Moumouni Yali, journaliste traducteur à langue fulfulde pour la culture linguistique. Bonjour Yali. Bonjour Mariam. Bonjour Quel est le mot du jour Le mot du jour aujourd'hui, c'est le civisme. Le civisme, c'est un mot du genre masculin, alors on dira un civisme ou bien le civisme. Hmm. Le civisme désigne le respect, l'attachement, le dévouement d'un citoyen pour son pays ou pour sa collectivité dans laquelle il vit. Alors, c'est quoi un comportement civique Les gens vont certainement se poser cette question. Mm. Le comportement civique d'un individu est un comportement qui prouve sa qualité de bon citoyen, fondé en particulier sur le respect des lois et des obligations envers les autres individus. Mm-hmm. Surtout aujourd'hui, que vous savez la situation dans laquelle notre pays vit, mm-hmm. le civisme, c'est un comportement que chaque citoyen doit adopter mm-hmm. pour la bonne cohésion. Alors, le civisme, son comportement est fondé en particulier sur le respect des lois et des obligations envers les autres individus, l'État et les institutions de la société en full full day, comme d'habitude. Exactement, vous avez prévu euh, aussi d'expliquer en full full day. Bien sûr. Hmm. Donc pour nos auditeurs en full full day, on dira par civisme ko indira kongol civisme der faransire der fulfulde enen eɗen bi'a ɗum woni haɓɓodirde neɗɗo e nedi mum lobbiri wakkati fuu neɗɗo tawe no leesini no ɗowtani ko laabi laamu leydi mum na komin mum wi'i jomum ndu ni faa hannden ko waɗa fuu no haani laataade noon ko to tongu yahdu yeeso leydi mum naa commune muɗum tawi joomum no ɗowtani ko winda wi'a nder laabi laamu leydi muɗum e commune muɗum fuu ɗum duni fa ko watta jonde lobbere heɓo caka e, e wundi, e nder ko waɗa duni no haani laataade noon ko ɓeyda bala euh, en Fulfulde, c'est ce qu'on peut dire. Merci, euh, infiniment, euh, Ali Niali, pour euh, cet éclaircissement sur euh, le civisme. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, N'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien

da harko su gane cewa duka dai wanda allah ya jarabta da shugabanci a ko ta wani fanni matsayinka na ɗan ƙasa shine shugaba ba a wani ko kiraye-kiraye ga al'umma da kalamai marasa kan gado na tada hankalin mutane a ci gaba da ba shugabanni haɗin kai shi ke tabbatar da tsaron ƙasarmu kuma da zaman lahiya amma duk wani abu sabanin rashin ba shugabanni haɗin kai to ba wa abin da zai kai ƙasa ga illa bayan tsegumma kanana kanana wannan su ne ba mu wata mu abin da muke wata kullum 'yan Nijar su gane ƙasar mu da ita ce Nijar mu kuma talaka musamman mu mutanen karkara mu ɗauki kanmu matsayin kullum uwan mu ɗaya uban mu na daidai akwai kwatamta ma jama'a cewa to kiraye kiraye da an kaɗan samu na kwanan baya mutane su bar lissahi da su su kwantar da hankalin su ba abin da ke faruwa cikin ƙasa dama duk inda Allah ya ka irin wa'annan ababe to dole ne ba yiwuwa a ce ya ta yi salon alam sai a rinka samun kace na ce tsakanin can da nan to akwai mutanen da su kuma kullum in ka ji murya su ba su kwatanta zance wanda yake alheri ne sai dai wanda yake ta da hankalin jama'a to abin da muke so mutane su rinka gane cewa wani zantuka ba su da tasiri duk zancen da baka ji ba daga bakin hukuma to ba zance ba ne wanda kai za ka yin gaba ka kara yada don yana iya zama zancen ya kasance ba na gaskiya ba can inda ka ciro da ma baka ciro shi ba ga mutumin da yake zancen yana da tabbata gaskiya ne kai kuma ka ga kai ma ka ƙara yaɗa ko ta hanyar waya ne ka ƙara yaɗa kuma zancen ka ga zance ne wanda yake ba tabbatacce ba don haka yaɗa jita-jita da da bunƙasa zantuka wanda yake na ƙarya ne wannan abubuwan muna son mutane su kiyaye gare shi eh, sannan kuma matsayin mummunan mutanen karkara mu sa ga kanmu kuma mu rike da in mun ka ga wani abu wanda ba mu yarda da shi ba duk inda muke to mu dibi wata hukuma mahi kusa gare mu mu sanar da ita da cewa ga wani abu wanda ke son ya tada hankalin jama'a wanda ba mu yarda da shi ba Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était euh, vos messages vocaux. On dira merci à tous ceux qui nous ont envoyé euh, des messages vocaux, surtout euh, ces messages de paix. Parlant de paix, avant de se quitter, parce qu'il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, nous allons déguster une chanson qui parle bien évidemment de la paix. C'est parti. chers auditeurs, euh, c'est sur cette euh, belle sonorité musicale de paix composée par euh, le groupe Shawa qu'on va se dire au revoir. Ici prend fin cette émission de ce jeudi 7 septembre 2023. Vous étiez en compagnie de moi-même, Ali Munkela Ouseni alias Seno et Mariam Adé. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et Kadija Isaac. À la technique, nous avons Amina Hassan. Très bon après-midi et bon appétit.